le forum du studio le forum du 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est l'installation sur différents sites des sinistrés des inondations de Niamey. En seconde position, la recrudescence des vols de bétail dans la partie nord de la région de Tilaberi. L'actualité, c'est aussi la participation du Niger du 19 au 31 août passé aux Jeux africains de Rabat au Maroc. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. El Haj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, journaliste sportif. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans ce forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par les inondations au Niger. Selon un bilan du gouvernement à la date du 10 septembre et depuis le début de la saison des pluies en juin, l'on a enregistré 57 morts et plus de 132 528 sinistrés. En outre, les eaux ont détruit 12 241 maisons, décimé 851 têtes de bétail et englouti plus de 2000 251 hectares de culture. Niamey est particulièrement touché cette année par une crue exceptionnelle du Niger qui a déjà fait un total de 6310 personnes sinistrées. Les régions de Maradi et Zender sont les plus durement affectées avec respectivement 25 040 et 39 060 sinistrés. Et la région d'Agadez compte 18 255 sinistrés. Rendons-nous tout de suite à Agadez pour écouter notre correspondant Moussa Mamana. Moussa Mamana, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Le courrier de Talwa a toujours été un blocage en pareille période avec euh, l'interruption forcée du trafic entre Arlit et Agadez. Le trafic a-t-il repris euh, Oui, euh, effectivement. Donc, Mokhtar, en cette période de pluie, le courrier de a toujours été un blocage car cette année, euh, ça a été pur même, en dehors euh, de Coritellois, la route euh, Agadez-Arlit a été coupée en trois points. Pour le moment, le, trafic a repris, mais quand même, la population a beaucoup souffert. Si on peut prendre le, les trois points qui ont été bloqués, il s'agit du corée télois il s'agit aussi du, du à Solomie, c'est à 90 km d'Agadez. Il y a aussi le PK65, on, appelle ça, c'est à 65 km d'Agadez, à 20 km de Anou Makaran, c'est dans un village de la RTA d'Arlit aussi, à côté d'Arlit, à 20 km. Là aussi, c'était bloqué. Il a fallu l'intervention des équipes euh, de la direction régionale de l'équipement avec euh, l'entreprise en charge de ces travaux, c'est GEPCO, l'entreprise, avec aussi le soutien de la Sonichar pour vraiment bloquer, pour débloquer plutôt cette situation qui a beaucoup euh, euh, mis la population dans des pertes parce que les usagers de la route, les, le, voyageurs qui ont fait 4 à 5 jours dans le euh, compagnie de transport, c'est dans leur poche qu'ils mangent, qu'ils boivent, tout ça là. Moussa Mamana, les sinistrés ont-ils un minimum d'aide pour vivre dignement Bon, pour le moment, non, parce que depuis euh, les fortes précipitations et qui ont engendré des inondations, occasionné aussi des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels sur les infrastructures socio-économiques de la région d'Agadez. Le gouverneur de la région euh, a fait un point de presse. Il a appelé même dans ce point de presse euh, toutes les bonnes volontés vraiment pour venir en aide à, ces sinistrés. Mais jusque-là, bon, pour le moment, ils n'ont pas ils n'ont pas eu d'aide. Ils sont en attente et toujours l'appel du gouverneur, il est ce parce qu'il a appelé les bonnes volontés pour venir en appui à ces sinistrés. Mais pour le moment, ils ont été enregistrés quand même. Ils ont été enregistrés et ils attendent toujours euh, les aides pour les bonnes volontés. À Niamey, 303 euh, ménages occupent encore euh, l'école 2 à la rive droite. Notre reporter Mariama Diallo est allé pour constater les conditions de vie de ces sinistrés. Voici quelques témoignages recueillis sur les lieux en les écoutant. Vous savez, ce n'est vraiment pas facile de cohabiter avec beaucoup de personnes. Il faut vraiment être patient car si d'autres gardent bien propre leur endroit, d'autres ne le font pas. Aussi, nous souhaitons qu'on remplace les poubelles qui sont pleines de saleté. Actuellement, nous sommes hébergés dans les écoles, 6 voire 8 personnes par classe et une seule toilette pour tout le monde. On espère être inscrit dans la liste des personnes qui seront hébergées ailleurs car avec la rentrée qui approche, nous serons obligés de quitter les classes yirka est bai le maire a autorisé à tous les sinistrés de s'installer dans la cour de l'école depuis lundi. Pour notre propre hygiène, chaque matin, nous les femmes, nous nettoyons les toilettes puisque c'est là où nous vivons. On se sent un peu en sécurité ici puisque nous avons au moins un toit sur nos têtes. Maintenant, nous attendons seulement le feu vert des autorités pour être relogés sur le nouveau site car c'est seulement ceux qui ont été recensés par la protection civile qui partent aujourd'hui. Alaj Mohamed Suleiman, votre commentaire après avoir écouté ces quelques témoignages. On ne peut que compatir parce que, euh, je l'ai dit la semaine passée, c'est assez récurrent. De temps en temps, nous avons euh, des situations comme ça humanitaires à gérer parce que simplement il y a des problèmes d'inondation. Euh, donc, euh, on a suivi la visite du Premier ministre au niveau des sinistrés où on a été annoncé. Plus de 32 000 euh, personnes sinistrées. bref, ils ont dit que le gouvernement et les. Et, ses partenaires. ses partenaires, justement, sont en train donc d'aider donc pour soulager ces populations parce que une fois qu'on perd soit sa maison, qu'on doit venir euh, dans des trucs de, fortune qu'on va concevoir pour vous. Imaginez tout ce que le confort que vous avez dans votre petite maison quand vous êtes seul, une fois que vous allez partager ça avec vos enfants, il y a franchement beaucoup, beaucoup de problèmes euh, qui sont liés à cette situation. Donc, on ne peut que souhaiter véritablement qu'on puisse euh, envisager des mesures vraiment plus durables euh, parce que euh, ceux qui sont par exemple euh, concernés par la, chasse au niveau du fleuve, ça je pense qu'il est grand temps qu'on prenne des mesures pour une, en tout cas, bonne fois pour toutes, que les jeunes ne puissent plus prendre le risque vraiment de s'amener là où effectivement, ils peuvent être amenés à perdre euh, donc leur, euh, leur maison. Donc, de façon générale, la situation, par exemple, que vous avez euh, décrite à, Agadez, là, je pense que pour la route, rien à faire parce que j'étais récemment à Agadez, justement, il y a deux, semaines. Elle bah, s'était coupée. Alors, je pense que dans ce genre de situation, il faut parler, dénoncer la, la RTA de façon générale. Donc euh, c'est inacceptable que cette route soit vraiment le lieu où on exploite en tout cas notre uranium et qu'on n'arrive pas vraiment à avoir tous les moyens, sur toute l'année en tout cas, d'avoir une bonne route. Donc euh, je pense que la situation hein, bien actuelle n'est pas donc euh, récente. Au niveau du cabinet du Premier ministre, il y a le système d'alerte précoce donc, et de prévention des catastrophes est grand temps justement que cette structure euh, véritablement commence, euh, en tout cas, je pense que, parce que la, semaine passée, le point de presse du ministre de l'Action humanitaire euh, était un peu alarmant lorsqu'il dit que on n'a qu'un tiers de réponse à apporter aux sinistrés. Donc je pense que c'est vraiment important. Tout n'est pas vraiment d'attendre jusqu'à ce que ça arrive. Il est grand temps justement qu'on puisse dire que ce qu'on pourrait éviter, qu'on ne puisse pas vraiment, parce qu'il y a pluie qui, qui, qui déborde des de, inondations, en tout cas, qu'on se... Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Euh, donc vous voyez ce que ça fait, euh, ce qui va être amené euh, à être logé dans, les écoles. Bon, j'ai vu justement, ils ont fait des trucs aménagé un, lieu en tout cas avec des, tentes, mais pour combien de temps Maintenant, les conséquences, ça va durer combien de temps Ça, c'est seulement à Niamey À Niamey seulement, justement. Donc, je pense que, franchement, comme je l'ai dit pour, dire, pour faire court, que il est important que, franchement, qu'on puisse prévoir, en tout cas, certaines situations, de ne pas attendre jusqu'à ce que euh, ça, ça, ça advienne et qu'on va essayer de spéculer. Rufai Dandoua, beaucoup de ces sinistrés ont été relogés euh, dans des établissements scolaires en cette veille de la rentrée des classes. Quelle alternative pour ces personnes en détresse avant la rentrée des classes oui, merci. Et déjà, il faut compatir à, tous ceux qui ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de biens qu'ils ont mis beaucoup de temps, que ce soit ici à Niamey ou à Gadez ou partout même dans le pays, ceux qui ont été victimes de cela. Mais il faut dire que dans ce genre de situation, c'est la prévention qui est importante. Et vous savez, le lit, le lit de l'eau, on dit, c'est ça, non mhm. lit, bah, Non, quel qu'en soit le fleuve ou quel soit, toutes les sortes d'eau, tôt ou tard, ça revient. Donc, c'est en ce sens que les gens doivent se dire, euh, que ce soit ici à, Niamey ou partout dans le pays, surtout aussi sur le lieu du fleuve, il faut que les gens s'attendent à ce qu'un jour ou l'autre que cela arrive. Et je pense ou je crois comprendre que cela aussi a été annoncé bien avant que avec les pluies qu'on a. La météo a déjà alerté. Voilà, la météo a alerté avec les pluies qu'on a, qu'on a enregistrées, pas seulement au Niger, mais aussi dans des pays comme le Mali ou la Guinée, le, peut y avoir la, crue et le fleuve peut déborder. Les gens devraient depuis très longtemps prendre les dispositions. Mais bon, vous savez, quelque part aussi, nous les humains, nous sommes têtus et c'est quand la chose arrive au moment qu'on essaie de prendre des dispositions et là, c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est un problème. Les conséquences aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les gens sont relogés dans des écoles et l'autre conséquence, c'est qu'il risque d'y avoir, même s'il y aura rentrée scolaire en bonne du fond, supposons qu'il n'y ait pas de grève des enseignants ou des professeurs, enseignants en 100 ans, où est-ce qu'on va eh, amener ces gens Donc on risque de, prolonger aussi la rentrée scolaire et du coup, l'année ne sera pas eh, telle qu'on l'a prévue. Donc vous voyez, de, du fait d'être têtu au début, il y a plusieurs conséquences. Non seulement les gens perdent leur bien, mais en plus, et ils sont relogés dans des endroits qu'ils n'ont pas souhaité parce que, comme l'a dit El Haj Mahamadou, tu as l'habitude de rester seul dans ta maison. Aujourd'hui, tu es obligé de cohabiter avec d'autres personnes que tu ne connais pas parce que la nécessité faisant foi, les douches, tu vas prendre les douches avec d'autres personnes que tu ne connais pas. Et l'autre conséquence, c'est qu'il peut y avoir aussi des maladies qui peuvent profiter de la situation pour venir. Il peut y avoir de choléra, parce que l'eau que vous allez consommer aussi n'est pas bonne. bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est dû au fait que nous-mêmes, les humains, on n'avait pas pris, et, pris garde à l'alerte qui a été faite, non seulement par les services des métaux, et, euh, des fois par les autorités qui vous disent attention, il peut y avoir ça si ça n'a pas été fait. Mais malheureusement, on n'en fait qu'à nos têtes. C'est quand ça vient, on dit bon, euh, le gouvernement n'a pas fait ça, les partenaires font ce qu'ils font, aussi, mais quand des fois ils sont débordés, encore c'est un problème. Donc je pense que pour ne pas me répéter ce genre de situation, il faut les prévenir et, d'avance, informer les gens, les sensibiliser pour leur faire comprendre qu'il y a des risques énormes et quand cela est fait, on peut éviter beaucoup de choses. Maintenant que cela a été fait, bon, les gens doit faire avec ce qui a été fait, avec le concours des partenaires extérieurs. Les autorités font ce qu'elles peuvent, mais aussi quand on revient à Gadez, par exemple, euh, c'est presque la même chose. Le, euh, c'est presque la même chose que le fleuve, fleuve aussi. Là encore, ils savent que ça, ça allait déborder tôt ou tard. Maintenant, avec la route de la RTA aidant, et euh, les conséquences sont, sont, sont néfastes. Issa Madougou, comment voyez-vous la situation de ces occupants des écoles maintenant ou après la rentrée des classes et eh, Merci Mokhtar. De toutes les façons, c'est qu'il faut retenir que ce sont des situations d'urgence. Euh, le relogement euh, dans les classes, c'est temporaire, tout le monde le sait. C'est juste pour les mettre à l'abri en attendant de trouver une solution à cela. Ceux qui sont relogés dans les classes ont eu même la chance parce que de par le pays, il y a certains, euh, certaines localités où les gens n'ont même pas eu ces classes pour être relogés. La situation est très difficile parce que c'est des catastrophes naturelles. Comme Rofaya l'a dit, c'est plutôt il faut jouer sur la prévention. Mais quand même, il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, certes, c'est vrai, euh, les conditions, c'est qu'il ne faut pas oublier cela. Les conditions sont très difficiles économiquement pour euh, le pays. Tout le monde le sait, ça. Parce que ça a été annoncé depuis que bah, l'année n'était pas du tout réduisante. Donc l'État devrait au moins, parce que s'il y avait l'idée des catastrophes, puisqu'il y a un ministère qui a été créé, devrait avoir le minimum, parce que on ne peut pas continuer éternellement à, attendre euh, l'assistance. Vous voulez dire qu'on devrait agir sur la prévention La prévention et aussi pour la prise en charge, quand même, euh, il faut que la moitié soit prise en charge par l'État. Parce que c'est des questions de souveraineté. Pour moi, euh, c'est pas évident qu'à tout moment, quand vous avez des problèmes, que vous pensez déjà à, tendre la main à, quelqu'un. Si vous pouvez le faire, vous il, faut, il suffit juste de bien coordonner et moi, je pense que ça va. Pour les cas des écoles, les gens sont obligés de quitter puisque c'est la rentrée des classes. Les enfants vont venir reprendre l'école, donc il faudra trouver des moyens pour les reloger quelque part. Mais vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours des cafouillages, il y a toujours des tricheries. Même ici à Karobanda, où la crue du fleuve a mis beaucoup de gens à quitter leur domicile, certains sinistrés disent plaindre qu'il y a des gens qui ont été recensés mais qui ne sont pas réellement des sinistrés. Il y a même une femme qui a proposé à ce que pour bien recenser, retournons dans les concessions. Il y a certains aussi qui sont victimes chaque année. Oui, oui. Depuis 2012. Depuis 2012, on laisse, c'est des gens que, qui ne sont pas du tout sérieux avec, euh, euh, des personnes qui ne sont pas sérieuses avec leur moralité même. Parce que quand vous avez vraiment euh, quelques soucis de probité, vous ne vous devrez pas vous comporter de la sorte. Je, je, revenais par rapport à le témoignage de cette femme qui disait pour vraiment situé, qui est réellement sinistré, de retourner sur les concessions et de les recenser. Parce qu'il y a des gens qui ont été recensés comme des sinistrés, rélogés, aujourd'hui qui n'ont pas été réellement relogés. On a vu même ici, même sur la rive droite, des gens dans les quartiers inondés où la crue a inondé, des gens qui ont quitté dans un premier temps, mais qui sont revenus. Parce que pourquoi Ils ont essayé de faire sortir l'eau de leur concession en mettant un peu de sable pour contrer les eaux, malgré que les eaux ne sont pas totalement sorties, et retourner dans leur... Parce que c'est ça, voilà des trucs qu'il faut développer chez les communautés. La résilience, il faut être résilient par rapport à une situation et s'adapter. Mais si les gens veulent profiter de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des esprits malins qui pensent qu'avec cette situation, on va leur donner des parcelles euh, à, manger. Non, la, bouffe, ça, c'est secondaire pour eux. Mm. C'est des parcelles pour que le même scénario de 2012 puisse se reproduire où on a donné à des gens des parcelles ici à Sénaux qui sont partis vendre ces, ces parcelles ils sont retournés. C'est pour cela, normalement, ces gens ne méritent pas l'assistance. La crue du fleuve a été favorisée, pour terminer, c'est parce que la situation du fleuve est déplorable. L'eau a passé partout, mais ça n'a pas quand même fait beaucoup de... Parce que ici, sur la position de Niamey, il y a l'ensablement qui a favorisé. C'est ça, c'est ce caractère-là qu'il faut essayer. C'est pour cela, prochainement, on a vu que On ne souhaite pas que ça arrive pour non, prochainement. non, c'est <laughs> parce qu'on dit que le, climat nous impose ses caprices. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Nous ah, devrons prochainement penser, on a toujours dit qu'il y a des méthodes pour que ce fleuve-là puisse vraiment être désensablé. Arrêtez les carrières, interdisez les carrières du sable en dehors de la ville intimer les gens. comme au Bamako, ça a été fait. Mhm. Les gens doivent se regrouper en coopérative, en groupe d'intérêt économique, pour avoir des accès à des crédits. Il faut être imaginaire, ce n'est pas l'État seul qui peut le faire. Rufa, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Oui, en fait, surtout aussi avec le réchauffement climatique qui, qui, peut nous imposer beaucoup de choses. On en a parlé avec les, les gens qui, font, qui, qui, sont euh, pris en charge par, par l'OIM dans le cadre de l'immigration. C'est toujours la même chose. Quoi. Ils sont là parce qu'ils ont des idées, des assistés tout le temps, tout le temps que Dieu fait. Et ils sont, ils sont toujours là, ils ne veulent pas évoluer. Et comme on, leur donne chaque fois, ils sont là, ils reviennent. Malheureusement, il faut, comme l'a dit la femme là, revenir et savoir qui et qui a, ont perdu leur, leur bien pour les reloger. Mais il ne faut pas reloger des gaillards qui sont là, qui ne font rien et qui, et qui ne font que tendre la main. Religieusement, ce n'est pas bon. Le ministre nigérien de la Défense a dénoncé via un communiqué il y a quelques jours le recurrent vol de têtes de bétail dans la région de Tilaberi. Pour euh, Diallo Boubacar, président du Conseil des éleveurs Nord-Tilaberi, ce forfait n'est pas nouveau car il dure depuis plus de 20 ans dans cette zone pastorale et s'est accentué avec l'insécurité au nord Mali frontalier. Il est interrogé par Diallo Mariama Kenda. Le fait surprenant, c'est que c'est aujourd'hui que, en tout cas, les ministères parlent de ça. C'est le combat que le Conseil a toujours mené. Pourquoi vous dites ça Moi, ça me fait 20 ans que je suis sur ce dossier. On n'a jamais senti le pouvoir public très proche de sa population quand ils sont victimes. C'est des milliers de têtes de bétail qu'on a enlevées. C'est des milliards que le Niger a perdu dans le nord Tilabéry. Mais ça, personne ne parle de ça. Nous, on parle. Et pour ça, on nous a arrêtés combien de fois Tous les régimes qui se sont succédés ont géré ce dossier sans pour autant s'interroger eux-mêmes. C'est bien si aujourd'hui ils réagissent. C'est bien si vraiment, après la réaction, leur communiqué, ils vont agir. Quand vous dites ils vont agir, vous attendez des dispositions qui doivent être prises par l'État nigérien. Maintenant, on veut voir que la frontière soit en tout cas bien sécurisé. Nous voulons que les animaux qu'on a emportés au Mali soient réclamés, que l'État du Niger aille au Mali chercher nos bétails. Issa vous revenez de cette partie du Niger. Qu'avez-vous constaté ou entendu sur le vol de bétail dans cette zone difficile C'est que euh, Ablaï Diallo est en train de dire, c'est président du Conseil, c'est la vérité. Ce triangle entre Felenge, Abala, Bani, Bongo pour aller jusqu'à vers Ayaru, depuis des années, est réputé être le terreau du vol de bétail. Mais ces derniers temps, qu'est-ce qui est plus malheureux Avant, il y avait des années antérieures, tout le monde sait qu'il y a des voleurs qui sont spécialisés là-dedans. Mais ces derniers temps, c'est compte tenu de la situation malienne parce qu'il faudrait, on ne peut pas parler aujourd'hui tant qu'il y a des crimes sans parler de la situation du Nord Mali. Parce que qu'est-ce qui se passe au Mali, les gens sont libres de circuler avec des armes. À de part la frontière malienne, dès que vous dépassez le territoire nigérien, les gens sont libres de circuler avec leurs armes et ils sont capables de faire tout qu'est-ce qui se passe le plus souvent Ici, ce qui s'est passé, c'était tout récemment. Il y a le village de euh, Aradou, Rufan, ou bien que j'ai oublié le nom, Sabongari, dans la zone de Tukunus, où il y a des gens qui ont été victimes de ce vol. Il y a un monsieur qui a été victime de vol de près de 300 têtes. Ils ont alerté la gendarmerie, je l'ai eu au téléphone. Moi, j'ai causé avec lui, je l'ai demandé. Il m'a dit qu'ils ont alerté la gendarmerie et la gendarmerie n'a pas réagi. C'est après que la gendarmerie était venue sur le terrain pour poser des questions aux femmes pour demander mais qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourtant, tout le monde sait que c'est le bétail qu'ils sont venus prendre. Ils ont pris la direction du Mali. Ce euh, c'est pas euh, par des, des, véhicules que c'est pas ils vont tellement les traîner pour rentrer. Donc on peut avoir le temps pour les, rattraper. Mais c'est que ces gens-là aujourd'hui, on sent que au sein de la population, selon les témoignages, que c'est comme si ces gens-là qui viennent faire euh, commettre leur forfaiture sont plus libres que les Nigériens parce qu'ils rentrent sur le territoire nigérien au nom d'un certain accord qu'ils ont avec le gouvernement nigérien dans le cadre de la sécurisation de la frontière. Et ils rentrent au nom de cet accord et ils commettent leur forfaiture. il y a beaucoup de communautés qui sont violentées. Quand vous prenez des témoignages aujourd'hui, cette zone est devenue comme en quelque sorte un no man's land où aujourd'hui les gens n'ont plus ce sentiment d'appartenir à une nation. Quand on vous dit, vous leur demandez l'État, ils vont vous dire c'est quoi l'État. Des gens viennent ici, il pille nos richesses, il nous tue. Et sans quand on essaie d'informer, c'est en ce temps que vous, on va vous harceler avec des questions. C'est comme si vous êtes le malfaiteur. Et c'est pour cela même il n'y a pas cette collaboration étroite entre forces de défense de sécurité et les communautés. Parce que quand ils font des dénonciations, parfois ils sont étonnés à ce que les gens qu'ils ont dénoncés viennent les attaquer ou bien égorger. C'est lui, avec précision, celui qui a été à la base de la déclaration. Donc il y a ces représailles qui faut en sorte qu'aujourd'hui, dans cette zone, les gens sont en train de vivre d'une manière où vraiment ça devrait nous interpeller. Ici, c'est à quelques kilomètres de Niamey, dans une zone où il y a des gens qui rentrent sur le territoire nigérien, faire ce qu'ils veulent. Il y a un vieux qui m'a raconté une anecdote que dans le cadre des négociations avec les conseils de paix, et les, des éleveurs et les cadres de paix, ils étaient partis euh, dans une euh, ville proche du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé en rentrant dans la cour du préfet, il y a des vaches qui ont commencé à beugler. Et le gars, il a dit, ça c'est ma vache. Ils disent, tant que je parle, je prononce un mot, vous allez voir que la vache va quitter, va se détacher de la corde. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a demandé au monsieur, comment cette vache s'est retrouvée ici Il dit, on lui a fait cadeau. Donc les vaches, les troupeaux sont volés au Niger et ils sont distribués gratuitement là-bas. C'est ce que les gens disent. Il faut qu'on retrouve leurs troupeaux, qu'on les ramène ici euh, sur le territoire. ce phénomène de vol de bétail a longtemps été décrié par les ressortissants du nord Tilabéry. Pensez-vous qu'avec euh, ce communiqué, le pouvoir va prendre euh, des mesures collectives Oui, on l'espère, on, l'espère bien. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est par exemple d'acheminer 300 têtes de, de vaches. C'est comme lorsqu'on avait pris les filles de, Chibok. On, a, on avait pris 200 filles, on les traîne et on dit qu'on n'a pas vu. Imaginez le temps qu'on va passer pour euh, aller, euh, aller et sans traverser la alors, Alors qu'on a, des, avions, des hélicoptères qui peuvent intercepter. Moi, c'est que je ne comprends pas. 300 têtes de, vaches. Imaginez, par exemple, quand vous sortez la nuit, vous voyez 50 euh, têtes de, de vaches ou de, ou de moutons qu'on traîne pour amener à l'abattoir. Déjà, ça, ça bloque la circulation. Alors imaginez 300 têtes. Je ne peux pas comprendre qu'on ne prenne pas assez de temps pour, euh, euh, pour intervenir. Ça, c'est ça qu'il faut décrire. De Et je comprends quelque part, c'est la lenteur ou, ou, la manière de travailler des FDS qui est, qui est difficile. C'est comme quand il y a un, un, un incendie, quand vous appelez les sapeurs-pompiers, tant qu'il n'y a pas l'autorisation, le, le, monsieur qui est en garde ne peut pas sortir. Donc, ce ces genre de choses-là qu'il faut changer. De la même façon, avec euh, les sapeurs-pompiers, il faut aussi que ça soit du côté des gendarmes ou du côté de, la garde républicaine, de la garde républicaine pour qu'on dise à chaque fois qu'il y a ce genre d'alerte, au moment où on arrête qu'il y ait euh, des mécanismes pour réagir promptement. Tant qu'il n'y aura pas ça, chaque fois, vous allez voir que il va y avoir des, des, têtes de des moutons, des têtes de des vaches. Mais l'autre aspect, c'est ce qui vient de dire Ça veut dire que quelque part, il y a la complicité avec les, les responsables coutumiers. Lorsqu'on part chez un chef coutumier et que la personne qui a perdu une de ses vaches ou un mouton se rend compte que, grâce à un signe, il arrive à détecter que c'est pour lui, c'est qu'il y, a, il y, a, il y a danger quelque part. Ça veut dire que quelque part, ils ont pas le sentiment de ne pas appartenir à l'État, mais le sentiment de ne pas avoir été couvert par les autorités pour lesquelles et, la population fait confiance. Et c'est là qui, qui, est dangereux. Donc, je pense que au-delà de, euh, du fait que les autorités, les FDS n'interviennent pas, il faut qu'il y ait une certaine entente, une certaine symbiose entre la population, et les chefs euh, euh, religieux. Parce que quelque part, et lorsque la confiance est cassée entre eux, là, il y aura péril à la demeure. Alage Mohamed Souleymane, quel est votre euh, avis sur la résolution du vol de bétail qui n'a que trop duré dans le nord de Tilabiri À mon avis, c'est que de façon générale, c'est un phénomène qui a toujours existé, le vol de bétail peut-être euh, par le passé à une euh, proportion moins inquiétante, moindre. Souvenez-vous, au Nigeria, par exemple, euh, au nord, effectivement, le même phénomène existe parce que par le passé, c'est qu'entre eux, en tout cas les éleveurs, se font du coup. Il y en a des gens qui sont justement spécialisés dans ce genre de trafic, qui, sont, qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent toujours, en tout cas, profiter donc lâchement pour en tout cas détourner les, les, les, animaux des autres. Mais aujourd'hui, avec le phénomène donc, du terrorisme, la situation s'est encore davantage, davantage aggravée. je pense que euh, quand je vois, au-delà même de la question des animaux, euh, quand je considère ce que le président de la République a dit euh, récemment à, Bamako, ce qui est véritablement, en fait, la, la, cette partie de, de notre pays la frontière, en tout cas malienne, c'est que si même la sécurité des forces en tout cas, en train de perdre, parce qu'effectivement, euh, il y a des gens qui sont là armés, en tout cas, euh, personne ne contrôle, au on euh, ne les maîtrise pas, au Mali, et donc, et tout simplement parce que, quelque part, le règlement du conflit malien, en tout cas, ça s'est mal soldé, parce que simplement, vous vous souvenez, à l'époque, en tout cas, certains ont pensé qu'il fallait désarmer tout le monde. Tous les mouvements armés devraient être désarmés ce qui n'était pas accepté par, euh, en tout cas, certains partenaires. Et on le voit aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, si on y prend garde véritablement, ce n'est pas une question de vol des animaux, c'est la sécurité de façon générale, en tout cas, qui, va se compliquer davantage. Et je pense que, euh, euh, véritablement, lorsque vous dites sur cette question des animaux, par exemple, il faut éviter que les animaux passent la frontière une fois que c'est arrivé au Mali, dire qu'on va aller les amener, ça, devient en tout cas plus, compliqué. Donc, euh, je pense que la question pose euh, en soi, en tout cas, un, euh, est liée, je veux dire qu'elle est au mesure en tout cas, dans, dans sécurité qu'on vit de cette partie de notre pays. Le Niger a participé du 19 au 31 août 2019 à la 12e édition des Jeux africains à Rabat au Maroc. 64 sportifs ont défendu les couleurs du Niger dans neuf disciplines sportives. l'âge Mohamed Souleymane, que peut-on retenir au sujet de la participation des athlètes nigériens à la 12e édition des Jeux africains tenus à Rabat au Maroc Issa Oui, bah, moi je pense qu'avec trois médailles d'abord, c'est bien connaissant un peu la réalité au, Niger où les sportifs ne sont pas mis assez dans les conditions pour préparer les compétitions. On sait que vraiment il y a cette précarité dans la préparation. De, moi je pense que c'est bien si le Niger arrive à avoir trois médailles quand même, c'est bien. Mais, il faut encore aller de l'avant. Il ne faut pas toujours s'arrêter au même niveau pour dire que non, euh, celui a fait, AlphaGa a fait, mais il faut aussi d'autres AlphaGa. C'est vrai, je crois bien que si je ne me trompe pas, les, les premières médailles, c'est en, taekwondo, non euh, voilà les deux médailles d'or. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est dire que au niveau de la fédération nigérienne de taekwondo, les gens sont en train de travailler malgré les modestes moyens qu'ils ont. On peut espérer, mais il faudrait aussi continuer à investir dedans, parce que le sport a été de tout le temps de montrer que c'est aussi un moyen de développement. Ça vous permettra vraiment d'arriver à un seuil. Aujourd'hui, quand vous prenez un exemple, euh, un pays comme Jamaïque, on a une mauvaise réputation de ce <laughs> pays-là. Quand on dit Jamaïque, sur le mot seulement, on ne voit que de la drogue et mhm. du banditisme. Mais aujourd'hui, grâce au sport, à l'athlétisme, on sait que ce pays est en train d'émerger. Tous ces grands, noms, Les Bolt, avant Bolt, il y avait d'autres qui ont fait les Asafa euh, Powell, quand ils ont eu cette renommée, ils sont revenus dans leur pays en créant des centres, en appuyant des centres de sport, en appuyant des jeunes. Donc, voyez-vous comment aujourd'hui ça fait en sorte que des gens ont accepté aujourd'hui de reprendre les chemins de l'école. Parce que on dit, dans cette école, vous allez étudier, vous allez pratiquer du sport. Et pour arriver à être sélectionné, il faut que en même temps que vous ayez des bonnes notes à l'école. Vous avez vu comment ils ont pu stimuler les gens à pouvoir apprendre à revenir sur les bancs, à laisser la rue, à venir aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'un pays se construit. Moi, je pense que nous, nous avons de cette potentialité qu'il faut exploiter énormément et que les cadres du ministère arrêtent de jouer comme s'ils pensent qu'ils sont dans un, euh, dans un espace politique ou de propagande. Non, il faut vraiment poser des actions concrètes. Ce n'est pas de, la théorie. Il ne suffit pas de sortir un papier pour dire politique nationale du sport. Tant, tant, tant, tant, stratégie, non. Mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui a été fait Il faut accompagner aussi quand il y a des espaces de jeu. Par exemple, j'ai vu ici, euh, tout près de l'échangeur euh, des martyrs, un espace de jeu. Mais il faut aussi que le ministère appuie la mairie par rapport à ça. Que la mairie a eu à mettre de l'argent pour construire un terrain. Mais maintenant, il faut que les techniciens soient donnés, euh, mais euh, à la disposition de ces jeunes qui veulent pratiquer ce type de, sport. Moi, je pense que c'est euh, dans une synergie d'action, une vision d'ensemble qu'on peut arriver à faire des choses. Quand même, c'est bien pour ces jeux. On ne peut que féliciter les ambassadeurs nigériens dans leur ensemble puisque le, Niger, le drapeau du Niger a flotté trois fois. Il y a des pays comme le Sénégal où on pensait qu'ils vont flotter plusieurs fois, mais dont le drapeau a flotté une seule fois. Rufai Dandoua, le 22 août, Issoufou Alfaga Abdelrazak a été sacré champion dans la catégorie des poids lourds, plus de 87 euh, kg du taekwondo, en décrochant la première médaille. Euh, que dire euh, de cette performance et de celle des autres athlètes nigériens je pense que pour Alfaga, ce n'est pas une surprise. Il l'a juste confirmé. Il, était, il avait déjà alors à Brazzaville il n'a fait que confirmer. Et même si on n'avait pas beaucoup de nouvelles de lui, on ne sait pas dans quel état de forme il est, puisqu'il n'y avait pas de compétition et médiatisée. Mais je pense que pour euh, un champion euh, olympique, ce n'est que, ce n'est que normal qu'il, remporte le, la médaille, euh, la médaille d'or aux Jeux africains. Et l'autre, l'autre surprise, ou ce n'est pas une surprise, parce que aujourd'hui on peut penser que ce que fait la Fédération nigérienne de taekwondo, c'est incroyablement incroyable, excusez-moi de la répétition, parce que dans, au moment où d'autres font beaucoup de bruit, ou, bouffent plus peut-être l'argent du budget du ministère des Sports et avec zéro résultat, la Fédération de taekwondo se déplace chaque fois dans ses pro avec ses propres moyens, avec le soutien de quelques partenaires pour aller amener, des, médailles. Je pense que c'est une fédération à féliciter. Il faut féliciter le, euh, le député Soumana Sanda, il faut féliciter le vice-président et, comment, comment il s'appelle Oh, ouais, il faut féliciter al eh, Alpha qui a été le précurseur qui a tiré ces enfants qui aujourd'hui pensent que tout est possible grâce aux, exploits de, de Je pense que c'est une fédération qui a des médailles sans faire de bruit pendant que d'autres font de bruit sans, sans apporter eh, des résultats. Et, je pense que quelque part c'est dans, la tête des Nigériens. Hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à penser que le sport aujourd'hui peut apporter quelque chose. L'exemple qu'a pris Issa est, très illustratif. Longtemps, la Jamaïque a été considérée comme un, état de, un, pays où les gens ne, consomment que, que la, la, drogue. Quand on parle de, Jamaïque, on ne voit que les Bob Marley avec des, des, des, rasta. Des rasta. Aujourd'hui, non, le Jamaïque, ce n'est pas un pays de, de Bob Marley, c'est un pays de Usain Bolt. La, Jamaïque, c'est un pays de, de, de Fraser. Pas que les hommes seulement. Quand vous prenez aujourd'hui les 100 mètres, les 200 mètres, y compris aujourd'hui les 400 mètres, c'est la Jamaïque. Ils ont compris que le sport, plus que la diplomatie, le sport fait parler plus d'un pays que même la diplomatie, que la politique, qu'autre chose. Et ils ont, ils ont mis en place des écoles de sport qui forment les enfants et déjà, on comprend aujourd'hui, quand Usain Bolt s'en va, déjà avant Usain Bolt, il y avait les Asafa Powell. Aujourd'hui, après Usain Bolt, il y a d'autres qui sont en train de venir. Les femmes, c'est la même chose. Mais nous, on ne fait rien. On ne, on ne pense qu'à faire quelque chose qu'au moment où il y a le championnat national, la politique sportive, éducative qu'il y avait avant. Aujourd'hui, il n'y a rien. Avant, nous tous, on avait pratiqué des, activités sportives à l'école. Ça peut être le, basketball, ça, fait être, ça peut être le handball, ça, peut être hein. le football, le 100 Tout, on a tout fait. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a même pas. Tous ces terrains-là sont, dégradés, il n'y a plus rien aujourd'hui. Rufai Dandoua, dans quelle discipline avez-vous constaté des avancées pour le Niger à ces Jeux africains de Rabat mais c'est le taekwondo, euh, ce n'est pas diable, c'est seulement là-bas. Il y a, faut aussi féliciter le, le, le, volleyball qui fait aussi un bon travail à l'ombre sans faire de bruit. Je pense que au-delà de, athlète euh, au, niveau de l'athlétisme. Oui, oui, oui, c'était, on, avait espéré, elle-même, elle avait espéré, mais bon, face à elle, il y avait aussi des, il y avait les Nigérians, il y avait les, les comment s'appelle, les, les avec les Talous. Donc, peut-être que la montagne était un peu haute pour, pour, elle, mais on peut espérer avec elle parce qu'elle arrive à se qualifier, à avoir les minima pour, jouer les Jeux Olympiques. Je pense que quelque part, il faut que les gens arrêtent de se, de se chamailler, arrêtent de tirailler et travailler comme fait la, euh, Fédération nigérienne de taekwondo, comme fait la Fédération de volleyball, parce qu'en dehors de ces deux-là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me trouver des fédérations qui travaillent, ils ne veulent que l'argent juste pour s'enrichir et enrichir leur poste, au détriment malheureusement des vrais athlètes. Isamadougou, quels sont pour vous les défis qui n'ont pas été relevés par les athlètes nigériens à travers leur participation à ces Jeux Rapidement. Mais ils ont relevé leurs défis, vu les moyens qu'on a mis à leur disposition. Mais vous ne pouvez pas attendre. Non, il ne faut pas quand même, on dit le rêve, il faut rêver. Mais quand même, ce n'est pas euh, comme ça que ça se passe. Il faut créer les conditions. Moi, je pense qu'ils ont rempli leur part de contrat. Tout le monde. Vous rappelez qu'ils sont. Ah, oui, euh, je ils sont 12e sur, les 53 ah, pays participants ah, avec deux médailles d'or. C'est important aussi. C'est important. Moi, je pense qu'ils ont relevé le défi. On n'a pas besoin de leur demander plus vu les conditions. C'est un secret de polichinelle au Niger. Quand on parle du sport, on veut faire du bruit. Mais à l'ombre, ceux qui sont là en train de travailler sans avoir les mêmes financements, comme Rufai l'a dit, eux, ils se contentent vraiment de mettre le drapeau nigérien en avant. Parce que c'est le Niger qui gagne. Aujourd'hui, grâce à Alpha Gab moi, il y a quelqu'un qui a voyagé tout récemment vers les zones, les anciennes républiques de, euh, de la Russie, de l'URSS. Mhm. Il me dit, arrivé, je ne sais pas, pas c'est quelle capitale qui est Bakou. Mhm. Il y a un pays qui a une capitale euh, comme mhm. Bakou, je ne me rappelle pas du pays. Arrivé là-bas, il est en train de causer dans un café avec des gens. Il disait que lui, il est africain, voilà, voilà, il vient du Niger. Et un lui a dit, Alphaga, oui, il dit ça, lui a, il a dit oui. Le gars lui expliquait que voilà, c'est un gars qu'il a très suivi lors des JO et lors des championnats du monde de taekwondo. Il dit ni était que euh, les conditions n'étaient pas les mêmes. Ce monsieur-là vraiment allé même postuler pour d'autres catégories. Rufai Dandoua, en football, cette semaine, le Niger a perdu 1-0 face au Maroc et 2-0 face à la Libye avec euh, le nouveau coach Haroun Abdullah. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché rapidement Oui, juste pour, dénoncer quelque chose. Quand, par exemple, les athlètes, oui, euh, juste en quelques secondes, quand les athlètes se déplacent, vous allez voir le responsable du ministère des Sports qui a 140 000 francs de frais de mission par jour et un athlète qui n'a pas 20 000 francs. Vous imaginez cela, c'est c'est incroyable. Maintenant, pour le football, nous, vous savez, euh, moi, je, ne fais que me répéter quand je parle de football. C'est des, des, critiques qu'on a toujours faites, c'est des propositions. Euh, et on a toujours dit que le football, on n'a pas de résultats tout de suite. Il faut travailler à la base. Tant qu'on ne travaille pas à la base, on n'aura pas de résultats. On peut amener Arnaud qu'on a toujours soutenu ne, fera pas de miracle. Quand vous regardez les joueurs du MENA, ils n'ont pas le niveau des autres, des autres pays. C'est normal qu'on perd. Mais bon, ça, ce n'est que des matchs amicaux. Je pense qu'il faut leur, il faut leur accorder des bénéfices des de doutes, leur laisser du temps, travailler, et on verra ce que ça, ça, peut donner. Mais bon, moi, je ne crois pas à la fédération, en ceux qui la gèrent, Donc, je ne pense pas que le football, quelque chose va, va s'améliorer. Issa Madougou Oui, juste pour ajouter qu'au Niger, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les gens n'ont pas cette habitude d'imiter les autres On a a eu ici une compétition de football initiée par RTL, RTL Jeune Talent. Pourquoi la fédération ne devrait pas continuer ce genre de rencontres, de tournois pas de moyens. RTL, a quitté parce que il ne se sortait pas. simple que ça. Oui, mais quand même, la fédération peut initier ce genre de rencontres pour la détection des jeunes talents en vue de la construction des équipes. Par exemple, aujourd'hui, sans, vous l'avez dit, sans pépinière, on ne mhm. peut pas prétendre à un développement. Donc il faudrait partir à la base. Il y, a, des, pense... écoles de formation. Pratiquement plus maintenant. Ces écoles de formation-là, moi jusque-là, je me demande qu'on me montre un seul mhm. joueur. Et elles vont, elles, fermer pratiquement, oui. Le fruit de ces écoles-là. Euh, non, je n'ai jamais vu. J'ai cherché, j'ai fouillé. Je ne l'ai pas vu. Par contre, on a vu des écoles. Quand on parle du petit Wanko qui vient à Oroya, il a fait, euh, fait ou, bien à, à, Mais il est fier, c'est son école. Ça, c'est une école de foot. Mais il faut que les gens aujourd'hui, moi, je, on quand on dit des choses, les gens pensent que non, c'est parce que juste on veut critiquer. Ce n'est pas de la critique simple. On veut que les choses s'améliorent. Vous-même, de notre côté, quand il y a des choses qui ne vont pas, vous avez le plein droit de nous critiquer pour qu'on puisse corriger. Il faut, il y a des initiatives, moi, je pense qu'on peut les pérenniser avec les moyens de bord. Si RTL met 100 millions, peut-être la fédération peut chercher 50 millions à mettre pour qu'au moins ils puissent avoir cette détection de jeunes talents qui vont consulter les futures équipes. Mais aujourd'hui, quand je vois les mêmes têtes qui vont revenir, je me demande que qu'est-ce qu'on veut On veut chercher euh, des victoires ou bien on veut faire de la figuration Parce qu'il y a des gens... Qui, rapidement Quand je vois dans des équipes où on me dit qu'il y a Camilo, moi je me demande que franchement quand, vous voyez Ndoda qui a atteint la quarantaine, qui est toujours le gardien de l'équipe nationale, je pense que oui, oui, je, pense qu'il faut qu'il faut changer beaucoup de choses. Il faut il faut regarder le Mali. Prenez juste le Mali. Il n'avait pas un moment de, même de championnat national. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les, différentes catégories, oui, même pas, ils ont toujours des problèmes. Aujourd'hui, le Mali est une référence en Afrique. Le football, ce n'est pas de la magie. Vous prenez Sadio Mané, c'est le fruit d'une école de foot au Sénégal. Beaucoup de joueurs aujourd'hui africains qui, qui, qui, qui, qui excellent en Europe sont issus des écoles de foot. Et les gens ont compris pourquoi même les anciens joueurs qui investissent au Mali, au Sénégal, pour faire les écoles ne viennent pas au Niger. Parce qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas sérieux. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Rufai Dandoua, journaliste sportif, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme jeune euh, du studio Kalangou euh, sur les radios partenaires. Elle sera suivie du forum en Hausa et Anzarma. Merci, au revoir.